Voilà, vous nous faites la présentation. Voilà, c'est Abdou Diaw, initiateur de la marche que le préfet a annulée, mhm. une marche départementale qu'on avait prévu de faire pour dénoncer la distribution anormale de l'électricité dans notre département. Parce que nous avons constaté que pendant des années, la Sénélec a des problèmes de nous fournir de l'électricité en quantité, mais aussi en quantité. Et à cause en qualité. C'est à cause de cela, mais aussi nos hommes de métier, les tailleurs, les mécaniciens, ainsi de travaillent sur l'électricité. Voilà des, jours qu'ils ne peuvent pas fournir les travaux qu'ils ont à donner aux, aux demandeurs. Mais aussi, nos élèves sont en train de préparer leurs examens et ils n'arrivent pas à préparer normalement le révision. C'est à cause de cela, après avoir introduit au niveau de la préfecture une, déclaration de mars, que le préfet, vraiment qui nous a trop déçus avec la collaboration de certains politiciens, dont le maire de la commune, qui a publié hier une, pub avec des poteaux électriques qui ne sont même pas de Nioro. Donc, il ne maîtrise même pas ce qui se passe à Nioro. C'est à cause de cela vraiment que nous avons initié cette marche départementale. Et, c'est le cas aussi des nombreux usagers qui, dont le matériel est souvent endommagé. Voilà, et ça, euh, tout le monde en perd. Tout le monde en perd. Parce que même s'il y a coupure, les machines des soudeurs, les frigos, même les dames gorgorlou qui travaillent avec de l'électricité ont en général perdu beaucoup de matériel. Beaucoup. Et là, ils ne sont pas dédommagés. Et en cas de pépin en général, la Sénélec devrait même dédommager ceux qui ont perdu beaucoup de leur matériel. À cause de cela, la Sénélec, qui peine à fournir de l'électricité, et aujourd'hui nous avons reçu le délégué raisonnable de la Sénélec, mais ces propos sont totalement faux par rapport à ce que nous avons, par rapport à ce que nous fournit la Sénélec. Parce que quand ils dit qu'ils ont électrifié beaucoup de villages, ils ont changé le réseau, le, qui réseau, alors que nous, on n'a pas reçu en quantité normale l'électricité. Nous, on déclare que tout ce qu'ils nous ont dit aujourd'hui est totalement faux. Mais aussi, le directeur général de la Sénélec qui se purifie, pour on a hérité tel village, tant de villages, alors que la quantité fait défaut. Ça aussi, je pense bien que c'est il y a de quoi agir. Mais surtout en période d'hivernage où les gens ont plus besoin d'électricité. Le préfet a interdit la marche au dernier moment. Au dernier moment. C'est parce qu'il ne respecte pas la population. C'est parce qu'il parce que qu euh, ne respecte pas la décision de notre constitution qui nous permet de faire une marche. Et ça, nous avons dit que vraiment, c'est à déplorer. C'est très Les coupures sont, tellement répétitives qu'on ne peut pas donner une qualification. Vraiment. Voilà, c'est exactement ce qui interviennent en période d'hivernage où les gens ont plus de besoin d'électricité. C'est-à-dire, ici à Nyoro, l'électricité va, va causer des dégâts d'ici peu. Parce qu'il y a des fils qui se toussent. Et quand ils se toussent, ça peut causer beaucoup de désagréments et même allant jusqu'à créer des incendies. Et c'est noté et c'est récurrent ici à C'est un dynamo qu'on appelle poste électrique qui, qui prennent feu des fois. Et là, peut nous, peut nous, pousser ou bien causer des pertes humaines dans un futur récent. récent parce fait, quand même, trop, c'est trop. De manière générale, de façon ramassée, ici à Niort, ce que nous réclamons, c'est l'électricité en quantité et en qualité. Coupure bi Coupure Les les tailleurs souffrent, les mécaniciens souffrent, nos enfants souffrent, même le préfet lui-même, il souffre de l'électricité ici à Nioro. Mais quand il n'y a pas l'électricité immédiatement, on perd l'eau. Immédiatement. Et ce sont des défaillances de la part des deux sociétés qui nous causent d'énormes problèmes ici dans le département de nord Et nous allons faire face. OK. waaw asalaamaaleykum man la monsieur Kane dëkk ci ci Nioro di ci liggéey am fi sama kër sama njaboot nekk ci waaw suñu teewaay ci li ko waral rek mooy dañu ci teew waaye dañoo jëmmal askanu lëmm muy askanu Nioro ñi nga xam ne ñun ñoo bokk ak ñoom ñuy dund ku sa poos diis ak ku sa poos diisul yëpp ñu dundandoo la même chose mooy ñàkkum courant mi nga xam ne nii depuis bu ndox laalee suuf ba léegi kukki kukki guddi kukki bëccëg kukki ngoon matériel di yàqu ñi ñi nga xam ne nii ñu ngi seen dépense dafa aju ci liggéeyu courant ñu ngi daw guddi ak bëccëg suuf ak ngoon am lu ñu seen kër yi ñu ngi ciy fête koo xam ne nii ñëpp xam nañ ne dafa am doole si askanu Sénégal di fête tabaski donc looloo tax ñun ñu génn waxal askanu Nioro ñëpp ñi nga xam ne nii ñu ngi dund loolu ngoon euh, ko jaaral nag si benn dox ñaxtu koo xam ne nii doxu jàmm lay doon wóor mbedd Nioro yi dem ba nga xam ne si préfet ak si nga xam ne mooy directeur Senelec bi nga xam ne moo fi toogal Senelec fii wan dëgg yàlla askanu Nioro pour doon sababu

di euh, tëggal seen bopp ay sabar li ñu def jot a def si département Nioro si wàllu électricité te askan wi gisul ko tegut ko bët li ñu wax jéem ñoo convaincre pour ñu sousseoir marché ba bañ fay génn si treize heures trente li ñu mujj laaj mooy nan lan mooy seen dernier mot ñu ne leen suñu dernier mot mooy li ñu diggante ak suñu askan mooy dañuy dem marché waxal leen ñun ñooy seen baat kon bu soobee yàlla bu quinze heures jotee dañu génn si dina tamit dox bi ñu demee ñibbi suñu kër bay sangu ba manifestation lañ jot coup de fil par le biais de monsieur Diaw mu owaat ko bureau mu ñëw mu ne ko ah je suis désolé bi koy wax sax nga xam ne kii il est contraint na ko marche bu mënatul nekk à notre grande surprise ñu bëri si lañ ko yëgee si place bi. dañoo ragal donc dafa am ñu nekk ginnaaw. Ah, euh, nañ ko nag. parce que li ñu jaaxal gën ñoo jaaxal mooy suñu maire bi nga xam ne bi ñu ko falee depuis six mois doorul attewul ñu toog ba démb rek gis mu photo ay photo am dugal si internet di publier di vantewu si ne dafa jël à bras le corps électricité Nioro ñu jaaxal lool na c'est pas vrai waaye bi waaye li yàlla def mooy waa délégation Senelec bi ñëwee man nekkuma foon mais ña fa nekk ñoom ne weddi nañ neneen sax fauteuil du fauteuil Nioro. ndax ci dolli li tax ñu gën a gëm ne am na lu lalu si doon. moy que ne ñoro gi dafa nek dëkk boo xam ne ku fi kaasal askan ñu yaakaar ne da ngaa sol mbubu kóote waaye man de maa ngi nii sama loxo si tool ñëpp xam nañ ne solu ma mbubu kóote donc askan ma ñor askan ñoro ma ñor donc li may dund li ñuy dund man de am naa moyen yu ma jëndee électricité parce que sama kër boo demee courant mu nga fay tàkk parce que dama am solaire yu tàkk sama kër mais xam naa ne li may dund moom la askan mi di dund te li ma mën askan mënu ko moo tax ñu génn si mbedd waaye ñun jot nañ ne am na loxo boo xam ne ni moom moo dox si diggante suñu marché bi kan moo wax. papa bi jaw jaw waaw kan la waxoon